forum district the forum district the forum district the forum district forum district forum district forum district forum district forum district forum district 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau euh, numéro du Forum des Studio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de euh, Mokhtar Hamadou. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 34 radios partenaires qui diffusent en direct les programmes du Studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui, le Forum traite du processus d'élaboration d'un budget de loi de finances et son importance. Dans un premier temps, nous allons échanger sur l'importance d'un projet de loi de finances. Ensuite, dans la seconde partie, nous parlerons des réformes apportées dans la loi de finances 2018 et enfin, dans la troisième et dernière partie, nos invités vont apporter des propositions qui pourraient être prises en compte dans l'élaboration de la loi de finances. Avec nous ce soir pour développer ce sujet Hassan Boukar Diaba, membre de l'association alternative Espace Citoyen spécialisé dans l'analyse du budget. Hassan Boukar Diaba, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également El Abdou, acteur de la société civile. El Idi Abdou, bonsoir. bonsoir. La loi de finances 2018 a suscité et suscite toujours des débats au Niger. Le budget général de l'État du Niger au titre de cette année a été arrêté en recettes et en dépenses à un peu plus de 1900 milliards de francs CFA. Hassan Boukardiaba, membre de l'association alternative Espace Citoyen, qu'est-ce qu'une loi de finances d'un pays Merci beaucoup. Merci de me donner l'occasion de parler d'un débat en cours dans notre pays. La loi des finances, c'est ce document dans lequel on trouve des mesures que le gouvernement prend en vue de l'exécution du budget en cours d'année. Vous avez un ensemble de textes de loi qui sont autorisés par le Parlement qui permettent au gouvernement de mobiliser des recettes afin d'alimenter le budget de l'État et par la suite ces recettes-là sont exécutées en dépenses. Donc de façon résumée, je peux vous dire que la loi des finances est à peu près cela. Hassan Boukardiaba, qui élabore euh, selon quel procédé Alors, la loi des finances est élaborée par le gouvernement, puisque la loi lui reconnaît ses prérogatives. C'est donc élaboré sous la conduite du ministère des Finances, qui est le premier responsable au titre du gouvernement sur le budget. Et donc, euh, dès le début de l'année. Euh, il y a euh, tout un processus qui est mis en place par le ministère des Finances et ce processus aboutit à l'élaboration d'un projet de loi des finances, euh, notamment vers la fin du troisième trimestre de l'année. je dis la fin du troisième trimestre puisque généralement c'est pendant le mois de septembre que ce projet de loi est adopté en Conseil des ministres et à partir d'octobre ce projet est soumis à l'Assemblée. Donc c'est le gouvernement qui a la prérogative. Quand je dis le gouvernement, c'est le gouvernement et donc tout l'arsenal dont il dispose en termes de régie financière, en termes d'expertise, de directions concernées, C'est donc un ensemble d'acteurs qui sont mis en place pour élaborer le projet de loi des finances. les cadres techniques, vous voulez dire Oui. Les, différents ministères euh, Oui, les, les, principales régies, les cadres techniques, la direction de l'économie, la direction générale du budget, euh, la douane, euh, toutes ces régies, le trésor toutes ces structures contribuent donc, euh, de par l'expertise dont elles disposent et de par les prérogatives qu'elles ont, les informations dont elles disposent, parce que le gouvernement a besoin de toutes ces informations pour élaborer un projet de loi de finances. Hassan Boukardiaba, quel est le rôle des citoyens dans l'élaboration d'une loi de finances Vous me posez une question très importante, mais aussi délicate, parce que il y a quand même des textes de loi qui euh, quadrille un peu le processus d'élaboration du budget. Il n'y a pas beaucoup de place pour les citoyens, sauf qu'ils sont des contribuables et peut-être des usagers des services publics, donc des bénéficiaires des actions qui sont exécutées à travers le budget. Mais par exemple, en matière d'élaboration, il n'y a pas en tant que tête de place, puisque la loi ne l'a pas beaucoup prévu. C'est vrai que euh, la législation évolue, notamment à travers par exemple les directives des lieux-mois, qui, elles, appellent à une participation citoyenne dans l'élaboration des budgets. Mais le plus souvent dans nos pays, c'est une affaire de l'administration. La preuve, euh, il y a très peu d'informations qui filtrent sur le projet de loi des finances avant sa phase parlementaire. Donc, cette phase d'élaboration du budget qui est une des phases les plus longues, ça peut aller jusqu'à neuf mois. Et donc, pendant cette phase, il y a très peu d'informations parce que les citoyens ne sont pas concernés, en tout cas dans la pratique, les citoyens n'ont pas de place en tant que tels, euh, ils ne sont pas reconnus comme acteurs dans le processus d'élaboration du budget. À votre avis, est-ce que les citoyens doivent être consultés Bien sûr. <clears throat> C'est d'ailleurs un combat de la société civile. Et l'exemple qu'on vit aujourd'hui avec euh, la loi des finances 2018 montre que c'est une erreur, justement, de vouloir totalement fermer ce processus au seul gouvernant, parce qu'en en fin de compte, on revient vers le contribuable. Et donc, à mon avis, non seulement ils doivent, mais on doit encourager les citoyens, créer des espaces pour que les citoyens soient des acteurs, pour qu'ils puissent contribuer au processus d'élaboration. Un, ça évite les conflits tels qu'on les vit aujourd'hui. On a déjà vécu l'expérience en 2005. oui, en 2005, on a vécu toutes ces expériences. Pourquoi les législateurs n'ont pas pris en compte les événements de 2005 pour euh, donner la voix cette fois-ci aux citoyens Mais j'ai fait le constat comme vous qui n'a pas tenu compte de, ce qui s'est passé en 2005. Mais s'il avait réellement tenu compte de cela, peut-être qu'on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Et donc, on a un processus qui est totalement fermé aux citoyens, euh, alors que les citoyens, c'est quand même eux qui payent l'impôt euh, même quand on part s'endetter, on s'endette au nom des citoyens parce qu'on pense qu'un jour ou l'autre, ils sont appelés à rembourser cette dette ils sont les usagers parce que l'action budgétaire est faite à leur profit et donc les citoyens doivent être reconnus comme des acteurs majeurs qui doivent être pris en compte dans le processus. Le gouvernement, eux-mêmes, ils ont intérêt. Regardez ce qui se passe ici, mais pas seulement ici. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Tunisie où les citoyens descendent dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas d'accord alors qu'on avait la possibilité de faire des consensus sur les questions majeures au moins, sur les questions majeures, les orientations principales. Là, par exemple, il fait référence à euh, au débat d'orientation budgétaire tel que proposé par euh, l'UOMOA à travers ses directives que le Niger a essayé de faire, je crois, il y a un an. Le débat d'orientation budgétaire et bien d'autres mécanismes permettent déjà de créer des espaces de discussion qui évitent les conflits qui viennent par la suite. Et donc, pour moi, les citoyens devaient être là et au Niger, on aurait pu peut-être euh, tirer vraiment les leçons de ce qui s'est passé en 2005. On aurait peut-être beaucoup gagné cette année sur le budget 2018. Hassan Boukar dit Abba, une loi de finances, à quoi ça sert c'est un outil de planification, un outil majeur, un outil très important entre les mains d'un gouvernement. Ça permet au gouvernement d'exprimer sa vision euh, économique, politique, sociale. C'est un outil à travers lequel le gouvernement fait un choix des sociétés. C'est donc un document particulièrement important qui doit concerner tout le monde puisque ne serait-ce qu'à travers l'impôt, tout le monde est concerné par la loi des finances, ne serait-ce que parce que euh, nous avons droit à la santé, nous avons droit à l'éducation, droit à un certain nombre de choses. Ces droits peuvent être réalisés à travers la loi des finances. Donc, euh, une loi des finances, ça permet d'améliorer les conditions de vie des gens, ça permet de réaliser les droits dans un pays et c'est quelque chose qui concerne la vie de tout le monde. Alhaji Idi Abdou, acteur de la société civile, vous venez là euh, d'écouter Hassana Boukardi est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Bien, merci. Il avait souligné en fait euh, la fermeture de notre processus de budgétaire. effectivement, cette fermeture a été relevée par un rapport de la Banque mondiale intitulé La gestion macroéconomique de la réduction de la pauvreté, printemps 2016. Ce rapport a relevé que, en termes de transparence budgétaire, la note du Niger est inférieure à la moyenne de la région. Mieux, ce rapport relève que la note du Niger, en termes de participation publique au processus budgétaire, est médiocre. Ça, c'est le rapport de la Banque mondiale qui illustre effectivement ce que Abba a dit parce que nous avons un processus budgétaire fermé. C'est juste une affaire des techniciens. Parce que la loi et même les techniciens, c'est les techniciens du ministère des Finances en réalité. Sinon, les autres, là, à la limite, c'est de façon résiduelle. Parce que le budget, effectivement, la loi de finances est proposée par le ministre de Finances. Elle est approuvée par le gouvernement maintenant à l'Assemblée de voter cette loi. -là. Effectivement, si, parce que c'est d'abord une loi très particulière, parce qu'elle engage le quotidien de tout le monde. Parce que c'est cette loi qui définit les, les recettes et les charges de l'État, les dépenses et les recettes. Il y a un choix à opérer entre les différents pans, entre des domaines précis et une loi de finances, en principe, pourquoi on voudrait qu'il ait une participation publique C'est pour qu'elle reflète une certaine euh, équité fiscale. Effectivement, vous remarquez que ça soulève un grand tollé. Parce qu'évidemment, au Niger, on ne tire jamais les leçons. Parce qu'on aurait dû tirer les leçons de 2005 pour savoir qu'il y a des limites parce que normalement, c'est juste un raccourci l'Assemblée. Normalement, l'affaire de l'impôt, c'est l'affaire de tout le monde. Mais vous ne pouvez pas rassembler les 18 millions que nous sommes. Il n'y a aucune salle qui peut nous contenir pour que nous votons. Les représentants des citoyens, c'est les députés. C'est pour cela, c'est les députés qui votent cette Et si les députés font autre chose Nous, nous portons la parole de sans voix nous, nous portons les problèmes de la société. Mais les représentants de la, de la société, c'est effectivement les députés. Parce qu'on a fait ce recours-ci-là, qu'on ne peut pas rassembler tout le peuple. Donc, on élit ces députés. Et les députés doivent comprendre qu'ils sont députés de la nation et non députés des partis politiques. Tout le problème réside. Voilà le fossé là où il se trouve. Et c'est très fréquent que ce que l'Assemblée vote, les citoyens ne sont pas d'accord. Parce que les députés se comportent plus comme des députés des partis politiques et non des députés de la majorité. alors, Je vous donne un exemple. Dans cette situation, que faire Cette loi-là, elle a eu le privilège d'être connue. la, société civile a connu ses contenus. La société civile a produit un document qu'elle a transmis à l'Assemblée et que les députés sont d'accord des remarques et observations de la société civile. Mais comme ils se comportent plus comme des députés des partis politiques, ben, ils ont répondu aux injonctions des appareils des partis politiques. Mais regardez dans un pays où les députés connaissent leur rôle. Ils mesurent l'importance de leur rôle. Ils mesurent la, responsabilité qui pèse sur Aux États-Unis, Donald Trump a bâti sa campagne sur la remise en cause de la loi Obamacare. Mais une fois qu'il est arrivé au pouvoir, mais les députés, les représentants des peuples américains, ont pesé le pour et le contre. Ils ont vu que ça provoque plus de dégâts. Mais ils ont refusé d'aller dans le sens du président. Mais ici, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pourquoi Parce que les députés même méconnaissent leurs prérogatives. Un. Deux, les députés, en méconnaissant leurs prorogatives, ils se croient plus redevables aux appareils de leur parti qu'au peuple nigérien qui les a élus. Parce qu'effectivement, dans notre pays, on n'a pas réussi à ancrer la sanction dans le système politique. Et là, tous les partis politiques, tous les acteurs politiques pensent que tout est permis. Et c'est ça qui fait qu'on ne tire jamais des leçons. Parce que la démocratie, par définition, le gouvernement, c'est un gouvernement du peuple pour le peuple. Normalement, il ne devrait agir qu'au nom du peuple. Quand même un citoyen lève la voix par rapport à une situation précise, un gouvernement démocratique doit l'écouter. Vous avez entendu à l'occasion de l'an 2018 le président français qui dit il sait qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec sa politique. Mais il dit il les écoute. Ici, c'est le contraire on n'écoute pas. On n'écoute pas Alaji Ediabdou, acteur de la société civile. Chaque année, le budget de l'État ne fait que grimper. Comment l'expliquer Évidemment, chaque année, il ne fait que grimper. Je n'ai pas la, la réponse à ça. C'est au gouvernement de donner cette solution-là. Parce que nous, c'est que nous savons. Ça engage notre vie, ce budget. Et le budget, qu'il soit en hausse ou en baisse, il doit être caractérisé par une chose, l'équité fiscale notre pays, c'est une république sociale. On ne peut pas opprimer les vulnérables. On ne peut pas enfoncer les vulnérables. On doit toujours avoir à l'esprit cette équité fiscale. Mais qu'est-ce à quoi assistons-nous On assiste à des exonérations fiscales, à des subventions fiscales. Et entre nous, par exemple, nous le disons dans cette loi, la particularité et ce qui est grave dans cette loi, c'est le fait de faire allégeance aux multinationales de télécommunications. Cette exonération sous prétexte qu'elle va motiver les investissements privés, il suffit d'aller juste à côté au Mali. Ils ont fait ça, le résultat n'est pas bon. Le résultat n'est pas bon. Et dans le rapport de la Banque mondiale, celui dont je faisais cas, il alertait le Niger par rapport effectivement à une analyse et à l'efficacité de cette exonération et de cette subvention fiscale. Il attirait l'attention du Niger par rapport à cela. Parce que ça ne sert à rien. Le fait de le faire, ça ne donne aucun résultat. Le Mali l'a fait. Ces exonérations-là, sous prétexte qu'elles vont inciter les multinationales à investir, c'est pas juste. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas de la mathématique ça ne donne rien du tout. Et c'est à ce moment, ils ont demandé au Mali d'évaluer qu'est-ce que ça a donné. Et comme nous, on ne sait qu'on est, on ne veut pas écouter les citoyens. On fait ce que bon leur semble, les gens font ce que bon leur semble en termes de budget, mais ils ne regardent même pas les expériences. Ceux qui ne tirent même pas les leçons de chez eux, ils ne peuvent pas tirer les leçons d'ailleurs. Alagiri Abdou, acteur de la société civile, la société civile nigérienne a trouvé matière à réflexion dans la loi de finances 2018. Pourquoi Est-ce que c'est son rôle ben, C'est le rôle de la société civile. Voilà le rôle de la société civile. Le rôle de la société civile, c'est d'indiquer au gouvernement que la voie qu'elle a empruntée, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pourquoi Parce qu'elle ne prend pas en compte l'intérêt général. La loi, je viens de vous énumérer, on a fait allégeance à des multinationales qui ont des surfaces financières pour aller chercher de l'argent autour de la farine de blé, pour aller chercher de l'argent autour de la farine de maïs, pour aller chercher autour de la farine de mil, pour aller chercher de l'argent autour de l'ardoise, du cahier. Et on a ramené le transport de personnel et de marchandises dans le champ de la taxation. Quand vous taxez le transport des marchandises et des personnes, ça veut dire la TVA est partout. Et vous allez trouver maintenant des produits qui ont des TVA spécifiques et ils sont doublement taxés. Parce que d'abord, il y a la TVA de, qui, qui, est sur le transport des marchandises et des biens. Tout ce que nous mangeons là. Lequel des produits nous produisons au Niger Lequel Maintenant, nous sommes en 2018. D'ici peu, le riz va comprendre un problème parce que le riz, on le transporte. Les légumes. Tout ce qui est transportable, il y a la TVA sur le. Mais, mais regardez, vous savez, souvent, on se fout quelque part de nous. On nous parle de l'UMOA, la directive de l'UMOA. Évidemment, quand on se croit un gouvernement du peuple, quand le peuple élève la voix, on l'écoute. Ça, c'est la chose la plus naturelle dans une démocratie. Quand le peuple élève la voix, il n'y a pas de choix à l'écoute. Malheureusement, au Niger, on n'écoute pas le peuple. Mais la TVA, selon la directive de l'UMOA, c'est entre 15 et 20 euh, et, 20 Mais nous, on est parti presque à l'extrême. On est parti à 19. Mais pourquoi on n'a pas fait 15, 16, 17 Pourquoi directement on est parti presque à l'extrême Déjà même notre TVA, on est parti presque à l'extrême. Celle qui est dite réduite là, elle va de 5 à 10. Le transport prend 10% déjà. On va à l'extrême. Mais pourquoi on va à l'extrême Pourquoi on ne revient pas Et le problème ici, c'est le problème que la Banque mondiale a souligné. Il y a un problème de transparence. L'impôt, les taxes, on les paye toujours. La 7 septième République est peut-être à la 7 septième loi. Et aucune loi n'a soulevé aussi Autant de parce qu'il y a problème. Dans une république, un gouvernement démocratique, il doit savoir que si les six là ont passé et que ça l'a fait problème, c'est qu'il faut chercher à savoir. Mais les jeunes ne veulent pas savoir parce qu'ils estiment qu'ils vont faire ce que bon leur semble et que le peuple va se payer. Parce que ici, la caricature de cette loi, on prend chez les pauvres, on donne aux riches. C'est ça qui fait qu'on n'est pas d'accord. Asana Boukara dit Abba, la loi de finances 2018 a été promulguée par le président de la République 48 heures après son adoption à l'Assemblée nationale. Peut-on dire que le combat de la société civile est perdu d'avance Écoutez, le, combat de la société civile, c'est un combat qui peut s'exercer tout le long du cycle budgétaire, hein, que ce soit dans la phase d'adoption du budget, de la phase d'exécution. C'est un combat qui n'est jamais gagné à l'avance et je pense que la société civile le sait, le sait très bien. Donc euh, ça a été promulgué par le président de la République. Et donc là, il y a la phase d'exécution, mais vous voyez bien que le combat de la société civile continue. Je pense qu'il y a des, euh, une marche suivie de meeting qui est prévue déjà pour le 14 janvier, donc euh, le dimanche. Donc ça montre que euh, la société civile continue à se battre. Il faut bien comprendre le combat qui pour la société civile. C'est de dire, comme Alaji ajid l'a rappelé tout de suite, que toutes ces mesures fiscales-là qui sont proposées, on les propose face à un peuple qui est déjà diminué, qui vit déjà la pauvreté dans sa chair. Le gouvernement dit, lui, il a des problèmes. Il a, il a la guerre en face, notamment dans la région de Difa, le long des frontières avec le Mali. Il a des difficultés parfois à payer les salaires, etc. Ce n'est pas faux. Il y a la guerre, oui. Mais lui, il exhibe la misère qu'il vit mais il ne dit rien face aux difficultés que les citoyens vivent. Il a l'impression que lui, il a des problèmes, mais que le peuple se porte mieux, ce qu'il faut. Et le combat de la société civile, c'est de dire d'abord, un, ces mesures fiscales-là viennent euh, face à un peuple déjà meurtri, qui vit des situations extrêmement difficiles. Eux, les dirigeants, peut-être qu'ils ne le ressentent pas, mais c'est bien de le leur appeler. Tous ceux qui payent la scolarité de leurs enfants, ceux qui payent leur santé de leur poche, ceux qui payent à manger, ceux qui nourrissent leur famille dans ce pays, eux le ressentent les difficultés de la vie. Mais le gouvernement, lui, évidemment, peut-être qu'il ne le ressent pas. Et donc la société civile lui rappelle. Deuxième chose, la société civile lui dit, oui, nous, vous nous demandez de resserrer la ceinture, mais qu'est-ce que vous faites en contrepartie Vous avez un train de vie de l'État dont on ne voit pas la baisse. Et le budget 2018 ne montre pas que ce train baisse. Regardez le nombre de, de ministres qu'on a, c'est symbolique. Les gens le rappellent. Mais il y a bien d'autres choses qui montrent que le train de vie de l'État n'a pas baissé. Et donc, voilà un gouvernement en face qui dit en même temps que tout va bien, qu'il peut avoir 45 et peut-être plus de ministres, le nombre important de ministres, le gouvernement l'explique, euh, c'est dans le cadre de la mise en, œuvre de la Renaissance Acte 2. Je pense que je ne comprends pas très bien ce qu'est la Renaissance, mais ce que je comprends, c'est que quand vous avez 45 ministres, c'est que la charge par rapport euh, euh, au fonctionnement de ces institutions, c'est différent de si vous avez 28, 29 ou 30 ministres. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est facile à comprendre. Pour la Renaissance, c'est peut-être un peu plus compliqué à comprendre pour moi. Mais ce que je suis en train de dire, euh, c'est peut-être un symbole, là, hein, le nombre de ministres, il n'y a pas que ça. Vous avez le train de vie de l'État quand vous regardez le fonctionnement de ces institutions-là, tous ces conseillers qu'on amène, les, les la, de mission, la, la, façon dont la masse salariale grimpe, même si c'est difficile à lire cette masse salariale. Vous avez énormément de choses, les budgets de fonctionnement et tout ça, là, ou ces institutions totalement budgétives. Parfois, vous vous demandez à quoi ça sert. Toutes ces institutions qui sont là créées, elles marchent grâce aux contribuables, grâce à l'argent qu'on attend des citoyens ou à la dette qu'on peut prendre dans l'espoir que les citoyens les payent. Et donc, le discours de la société civile, c'est de dire, oui, en période de difficulté, on peut tous se resserrer la ceinture. Mais vous, vous nous dites resserrer la ceinture, mais en même temps, vous ne faites que gréver le budget de l'État quand vous nous dites de resserrer la ceinture, on ne voit pas les efforts que vous faites en face. Et donc, vous nous demandez simplement, nous, parce qu'on n'a pas le pouvoir, parce que le gouvernement dit, je l'ai dit et je vous l'impose. Regardez un peu le discours. Le gouvernement veut affronter les citoyens sur cette question-là. Et c'est mais, comme Allah l'a rappelé, il n'écoute personne. Il pense qu'il est suffisamment fort pour réprimer toute forme de contestation de cette loi des finances. Et dès lors qu'ils pense, aussi longtemps qu'il pense qu'il est fort, eh bien, il ne discute pas, il ne cherche pas le consensus avec les citoyens. Donc ça, c'est un vrai problème dans ce pays et ça renvoie à la compréhension de la démocratie, mais aussi du rôle des citoyens. Quel est le rôle des citoyens Est-ce qu'il faut les affronter, les citoyens Ou alors, est-ce qu'il faut parler Tout ce qu'on voit, le gouvernement cherche à affronter les citoyens. Le budget général de l'État est adopté pour la première fois en application de la méthode de budgétisation par programme. Selon un communiqué du gouvernement, cette méthode vise particulièrement à assurer une meilleure lisibilité des politiques publiques, améliorer la performance opérationnelle, renforcer le rôle du Parlement en matière d'évacuation et de contrôle des politiques publiques, adopter le régime budgétaire et comptable aux normes et les bonnes pratiques régionales et internationales d'exécution budgétaire. Hassan Boukara Diaba, membre de l'association Alternative Espace Citoyen, quel est le souci du gouvernement nigérien à travers toutes ces réformes Merci beaucoup. Comme vous le dites, euh, pour la première fois, le gouvernement a essayé d'aller vers un budget programme. Ce budget programme euh, fait partie d'une demande exprimée déjà par l'UMOA à travers ses directives. À partir de 2009, je crois, l'UMOA avait émis un ensemble de directives qui concernent aussi, entre autres, euh, les finances publiques. Et donc, à travers ces directives, l'UMOA avait demandé un certain nombre de réformes, dont justement ce budget programme. À l'époque, l'UMOA avait donné comme délai aux différents États membres de l'espace communautaire de, de, cette période jusqu'en 2017. En tout cas, au plus tard en 2017, il fallait que les pays aillent à cette euh, approche programme. Euh, dans les principes, c'est quelque chose de bien, l'approche programme. Euh, ça donne une plus grande lisibilité du budget, puisque le budget est suffisamment détaillé jusqu'au nouveau, jusqu'au niveau programme. Lorsque vous prenez la loi des finances, vous voyez bien comment les activités qui concourent, n'est-ce pas, à l'atteinte des objectifs de programme sont détaillés avec les moyens en face et les résultats qui sont attendus. C'est par ailleurs une demande de la société civile. Nous avons toujours demandé euh, un budget qui soit plus lisible parce que ça permet une gestion plus rationnelle des finances publiques dans des pays euh, pauvres où les ressources sont très rares. Et donc la bonne gestion des finances publiques constitue un enjeu majeur. Donc, euh, le gouvernement est allé cette année vers cette démarche, pourvu qu'on l'applique vraiment avec comme souci d'avoir des résultats. Parce que pendant longtemps, on s'est contenté de dire, euh, voilà les niveaux de ressources qui sont alloués à travers euh, l'adoption du budget, et voilà ce qu'on veut faire. On voit rarement les résultats. Alors là, à travers la démarche programme, on annonce aussi les résultats. Par exemple, si vous dites vous faites un atelier, dans quel sens vous le faites Si vous dites vous faites une sensibilisation, vous le faites. Quel est le résultat que vous attendez Combien de personnes, etc., etc. Donc, vous avez un ensemble de détails aujourd'hui qui sont contenus dans la loi des finances qu'on ne retrouve pas dans les budgets antérieurs. Et donc, de ce point de vue, la démarche programme, lorsqu'elle est bien faite, bien réfléchie, avec euh, des indicateurs qui permettent de mesurer les résultats, donc ça va notre, euh, normalement vers une gestion plus rationnelle des finances publiques. Hassan ces réformes sont-elles euh, des opportunités ou plutôt des nécessités pour l'État Peut-être les deux. Euh, parce que là, d'abord, euh, vous savez, il y a quand même, aujourd'hui, si vous regardez de façon globale, les citoyens sont très exigeants sur la dépense, sur la gestion des finances publiques. Non seulement ils veulent savoir quels sont les niveaux de recettes qui sont mobilisés dans un pays, mais aussi comment ces ressources-là sont gérées. Euh, dans les pays où vous avez un niveau d'incivisme fiscal très développé, quelquefois, on fait le lien entre le manque de transparence dans la gestion des finances publiques et justement l'incivisme fiscal. Donc de plus en plus, euh, les citoyens, dès lors qu'ils ne voient pas clair dans la gestion des finances publiques, dès lors qu'ils ne savent pas ce qu'on fait, dès lors qu'ils ne sont pas d'accord avec les choix opérés à travers les budgets, ils sont de plus en plus réticents à jouer leur rôle de citoyen, à payer l'impôt par exemple. Et donc, il y a des efforts qui sont faits, et les, réformes de Lyon rentrent dans le cadre de ces efforts, pour parler aux citoyens, leur donner plus d'informations sur la loi des finances, les inviter à participer au débat public sur les questions des finances et les questions du budget, puisque c'est des questions de développement qui concernent tout le monde. Et donc, pour arriver à ça, il faut bien aller vers une gestion plus transparente qui donne un maximum d'informations aux citoyens sur la gestion des finances publiques. Lorsqu'on mobilise l'argent, qu'est-ce qu'on en fait euh, Si vous dites je mobilise des ressources pour construire des salles de classe, ok, on pense que vous devez construire des salles de classe, mais lorsque vous dites je mobilise tel milliard de francs pour construire 10 salles de classe, c'est encore mieux parce que là, ça permet de voir, ou lorsque vous dites je construis 10 salles de classe pour que le taux d'éducation, euh, le taux de fréquentation, la scolarisation de la jeune fille passe de tel taux à tel autre, c'est encore euh, beaucoup meilleur. Donc, euh, l'approche programme, pour moi, c'est une approche qualitative en matière de budgétisation et c'est quelque chose de très important. Mais, encore une fois, il ne faut pas le faire à moitié, il faut le faire de façon à ce que ça puisse effectivement donner les résultats, mais aussi créer l'enthousiasme des citoyens parce qu'ils sont concernés. plus le processus est fermé, plus on aura du mal à mobiliser les contribuables autour de ces processus. Donc on a beau avoir un bon programme, un bon budget programme, dès lors que les autres aspects sont laissés de côté, ça peut ne pas donner les résultats attendus. Hassan Boukar Diaba, chaque année, en marge des travaux de la session budgétaire de l'Assemblée nationale, de son côté, Alternative Espace Citoyen organise une session budgétaire citoyenne. Quel est l'objectif visé et les résultats significatifs obtenu après ces multiples exercices. Merci beaucoup. Je pense que euh, c'est vrai, comme vous le dites depuis plusieurs années maintenant, Alternative organise euh, parallèlement à la session parlementaire sur le budget une session budgétaire citoyenne. Euh, l'objectif de l'alternative, c'est d'amener d'abord les citoyens à s'intéresser au budget on est parti quand même d'une période où les sessions budgétaires au Parlement passaient presque inaperçues. Ça n'intéressait presque les citoyens Oui, ça n'intéressait presque personne, ça passait inaperçu. Aujourd'hui, je pense que c'est bien mieux. Nous sommes euh, quand même satisfaits de voir aujourd'hui le niveau d'intérêt manifesté par les citoyens sur le budget 2018. Ça montre quelque part que le travail qu'on a fait n'est pas euh, n'est pas vain. Alors, l'objectif de la session, c'est aussi d'amener les citoyens à comprendre les propositions qui sont faites à travers le, projet de loi des finances, puisque la session est organisée autour des informations contenues dans le projet de loi des finances soumis au, Parlement par le gouvernement. Et euh, Alternative s'est intéressé en particulier aux secteurs sociaux, secteur de l'éducation, secteur de la santé, l'alimentation. l'alimentation. Donc ces secteurs nous intéressent en particulier et chaque année nous essayons de voir quelle est l'évolution des ressources allouées à ce secteur-là. L'enjeu est de dire est-ce que on va de mieux en mieux Est-ce que les ressources augmentent d'année en année Est-ce que ça permet d'améliorer les conditions de vie en matière de santé, en matière d'éducation Quels sont les défis qui se posent Est-ce que les ressources vont avec les politiques telles qu'elles sont dressées Est-ce que les engagements sont tenus euh, Lorsque le président de la République dit 25% du budget va à l'éducation, lorsqu'on dit 10% ou 15% à la santé ou 10% à l'agriculture, et donc c'est bien que les citoyens puissent se demander est-ce que ces engagements sont tenus Mieux, euh, pour un certain nombre de ressources votées pour ce secteur, quel est le niveau d'exécution Est-ce qu'on va réellement vers les résultats qui sont prévus Est-ce que ça contribue à terme à améliorer les conditions de vie des citoyens Donc session budgétaire pour nous, c'est vraiment de mobiliser les citoyens autour des enjeux de ce type qui sont des enjeux particulièrement importants dans notre pays. Nous sommes un pays pauvre avec peu de ressources, eh bien, tout le monde doit se soucier de la bonne gestion de ces ressources. donc, pour nous, il était important, à travers un espace comme la, session budgétaire citoyenne, que les citoyens, les organismes de la société civile se retrouvent. Il faut rappeler qu'Alternative crée le cadre, mais c'est toute la société civile qui se retrouve pour discuter, pour échanger et faire des propositions alternatives au Parlement. là je disais, par exemple, que la société civile a fait des propositions autour du projet de loi des finances 2018. On a eu la session budgétaire autour de laquelle il y a eu des discussions et des recommandations ont été formulées qu'on a soumises sous forme de, documents euh, à des commissions parlementaires lors des discussions. Et donc, la session budgétaire sert aussi à faire des propositions alternatives à ce que le gouvernement propose. acteur de la société civile, quels peuvent être euh, les rôles des médias et de la société civile en général dans le processus d'élaboration d'une loi de finances, voire même de son adoption Bien, merci. pour revenir dire un mot par rapport à la session budgétaire d'Alternative citoyennes euh, qui ne date pas d'aujourd'hui, même les années où ça ne soulève aucun tollé, ils le font. Ils permettent ces au-delà des acteurs de la société civile, des populations participent. Et les populations qui participent et les acteurs, ils ont une idée de réelle priorité du gouvernement. Parce que ce que le gouvernement professe, ce n'est pas en réalité ça la priorité. La vraie priorité du gouvernement se trouve dans le budget. Ils font des discours. Ils parlent de l'école dans les discours. Ils parlent de la santé dans les discours. Mais dans le budget, la santé et l'école, ils ne sont pas des priorités. Je m'en vais toujours illustrer cela. C'est un partenaire de l'État du Niger, toujours la Banque mondiale, dans le même rapport printemps 2016, où elle dit le gouvernement du Niger a fait l'option des investissements publics au détriment de l'école et de la santé. Ça, c'est dans le rapport de la Banque. Et les programmes, comme vous parlez de cette nouvelle nomenclature du, budget, donc les programmes, c'est reconnu, ces deux programmes-là, en faveur de l'école et de la santé, ce sont ces programmes qui ont des impacts sur la réduction de la pauvreté. C'est les deux, c'est l'école et la santé. C'est démontré dans le rapport que le Niger a connu une hausse budgétaire, par exemple entre 2013 et 2015, souligne le rapport. Mais on a privilégié les investissements publics et la sécurité. Au détriment, oui, on les met dans les investissements publics, ces grands travaux-là. Donc c'est ça qui a été privilégié. Et la Banque mondiale, maintenant, dans le même rapport, elle attirait l'attention du gouvernement nigérien sur la qualité des grands travaux. Il y en a des grands travaux dont la rentabilité est nulle. Donc on attire l'attention et ces investissements sont financés. Ces investissements publics sont financés par les industries extractives. Et les industries extractives, à commencer par le pétrole, maintenant ça déclare, le cours du pétrole est en déclin. Dès lors qu'il est en déclin, et les gens, ils nous demandent, nous, citoyens, de resserrer la ceinture. Et eux, les gouvernants, ils s'installent dans l'opulence. Voilà le vrai problème. On considère le président tchadien comme un dictateur. Mais il avait 37 membres du gouvernement, il dit il y a crise. Il est revenu à 24. Ici, nous, les démocrates, avec le label même de Macron, la population parle depuis des années. 43 ministres, c'est trop. On n'écoute pas la population. Les conseillers, on les nomme. C'est devenu pratiquement une mode le train de vue de l'État, il n'a aucune relation avec la crise financière. C'est entre autres ces éléments-là que la société civile rappelle. Les Nigériens n'ont pas révisé l'impôt. Les Nigériens n'ont pas révisé la taxe. Mais les Nigériens demandent une équité fiscale. Une équité fiscale à la Abdou, le rôle, Le rôle qui incombe à nous et vous. Les médias. C'est d'abord d'aller vous approprier de ce rapport issu de l'analyse budgétaire d'alternative et vous l'expliquer. Parce que c'est un langage où tout le monde peut comprendre. Le budget, bon, beaucoup ne, ne peuvent pas le comprendre, mais le document produit par la société civile, c'est accessible. C'est un langage où tout le monde peut comprendre, voilà de façon claire ce que cela veut dire. Les mesures, voilà là où elles sont. Toutes les mesures, voilà là où elles sont. Voilà les produits qui étaient jadis exonérés et qu'on a ramenés dans le champ de la taxation. Et ces produits-là, si on les a exonérés, c'est parce que celui qui les a exonérés, c'est pertinemment qu'ils ont un impact social et économique certain, surtout maintenant sur une population meurtrie, sur une population extrêmement pauvre. Alors, pendant ce temps, euh, tout le monde semble unanime sur la faible consommation des crédits. Qu'est-ce qui explique ce état de fait rapidement Je n'ai pas besoin de cela. L'administration est politisée. L'administration opposée, j'ai apprécié le discours à la nation du président gabonais à l'occasion du Nouvel An, où il fait le même constat et il dit il est en train de changer. Il est en train de rajeunir, il dit son administration publique. Et il dit le seul critère, c'est le mérite. Le mérite prime sur toute autre considération. Ici, je ne vous apprends rien. Notre administration est outrancièrement politisée. Alors, à ce niveau, on est arrivé euh, au niveau Et des, tant administration solutions. Proposez-nous euh, rapidement des solutions alternatives pour euh, le ce que, ce que je propose, d'abord, nous sommes dans une démocratie. Le gouvernement du peuple pour le peuple. Le peuple n'est pas content avec cette loi-là. Et il a dit les points sur lesquels, et tout le monde sait les points sur lesquels la population ne peut pas être contente. La loi est promulguée, on peut procéder à une première rectification et prendre en compte les taxes l'allégeance, il faut revenir sur l'allégeance faite aux multinationales de la télécommunication. La Banque mondiale a dit de faire une analyse de cette exonération-là et de cette subvention fiscale. C'est un problème. Dans une démocratie, si ce n'est pas là où on espère que on a les moyens de répression, on est en position de force, on n'écoute pas les populations, ils n'ont qu'à sortir, on va les mater. Parce que les gaz lacrymogènes tombent à gogo. Tous les outils de répression tombent, ils les ont. Donc, on pense qu'on est plus fort que le peuple souverain qui a délégué son pouvoir parce qu'on a accumulé un certain nombre de moyens de répression. C'est éphémère, c'est une illusion. Il faut que les gens reviennent sur terre et comprendre que pour que l'impôt soit utile, parce qu'on ne peut pas peut pas se développer sans ressources internes Et pour qu'il y ait une mobilisation des ressources internes, il faut l'aval du peuple. Il faut un consensus. Il faut que le peuple accepte. Le peuple ne refuse pas le sacrifice. Mais il refuse que lui, il concerne les sacrifices et que les gouvernants s'installent dans l'opulence rapidement, Hassan Boukardiaba vos propositions de solutions alternatives pour une meilleure exécution de la loi de finances 2018 Je pense que le gouvernement doit essayer de créer une tradition, la, tradition qui consiste à reconnaître les citoyens comme des acteurs, qu'ils soient des personnes qui sont consultées, avec lesquelles on échange, on discute, on fait des consensus. Pas seulement les citoyens et les autres acteurs de l'espace public. Ça coûte cher dans un pays d'affronter les citoyens ça, coûte cher d'avoir des conflits sur des questions essentielles. Et donc, le gouvernement a le choix entre <clears throat> revenir aujourd'hui sur une démarche qui permet au moins d'expliquer, je euh, j'ai cru comprendre en discutant avec des anciens, que à des périodes qu'on ne peut pas imaginer, où on ne parlait pas encore de démocratie, il y avait chez les dirigeants le souci d'expliquer quand même un peu le contenu de la loi des finances. Nous sommes en démocratie, comme Alain l'a dit. Il faut expliquer les budgets. Il faut juger à fond la transparence pour que les citoyens comprennent qu'est-ce qu'on part chercher comme ressources, d'où viennent ces ressources, qu'est-ce qu'on en fait, et sur les priorités budgétaires. Il faut bien que les citoyens aient un droit de regard sur les priorités budgétaires. Il faut bien qu'ils soient construits, puisque c'est fait pour eux. Le reste repose sur un mythe, sur le fait qu'à partir des statistiques, on connaît. Non, il faut parler, il faut discuter, il faut faire les consensus. Si on veut éviter les conflits tels qu'on les voit aujourd'hui, faut toujours se méfier des conflits. On a toujours l'impression qu'on est suffisamment fort pour maîtriser un conflit. Mais un conflit, parfois, ça peut nous échapper et personne ne sait de quoi sera fait demain. Alors, je pense que les dirigeants doivent aussi faire attention à tout ce qui se passe. Ils doivent jouer la démocratie. Je pense que c'est ça qui est dans l'intérêt de tout le monde. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du Studio Kalangou. Nous étions avec euh, Hassan Boukaradi Abba, un membre de l'association Alternative Espace Citoyen et spécialisé dans l'analyse euh, du budget. Nous étions également avec Alhaj euh, Idi Abdou, il est acteur de la société civile nigérienne. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence avec nos 34 radios partenaires avec une autre thématique. Merci, au revoir.